salaamaaleykum ah waa APR na def PR PR naka njaboot gi ba kenn woppul ba yéen a ngi ci jàmm rekk naka njaboot yi ma yéen am ngeen deux minutes seen taa am ngeen <laughs> wallaay agi merci beaucoup hmm. APR tey de moom je vais venir vous parler en tant que frère si indi un questionnement pour si vraiment vous poussez et je pense pouvoir aussi parler au nom de plusieurs personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe au sein de APR hum. ak Benno Bokk Yaakaar bref Euh, ne xam na cofeel gi am président Macky Sall bëgg gi ngeen ko bëgg ma gis nañu bari ci dañ ñu yaakaaroon ñun ñu bokkut ak yéen vision ak gis-gis ci politique que ne da ngeen koo bëgg rek parce que c'est un travailleur da ngeen koo parce que c'est le meilleur président da ngeen koo parce que dafay jël les meilleures décisions mais à un moment donné ñun les réponses qu'on a eues c'est que da ngeen a bëgg président de la République rek non pas parce que il est occupe une fonction très très une fonction très très euh, euh, élevée et qu'il la fait bien mais parce que da ngeen ko bëgg pour cofeel gi ngeen am ci

Tabona comme le premier ministre de son gouvernement il xam signification premier ministre mu le chef du gouvernement ki euh, il est responsable de la coordination des activités du gouvernement et la mise en œuvre de sa politique nga xam gouvernement direction du cabinet les petits la formulation des politiques mooy initiative politique c'est la représentation nationale et internationale du Sénégal qui que côté de ci domaine domine la direction de l'administration publique les nu réew mi doxee ci biir réew daf gestion des crises dañ ko ci et tout donc on peut voir ce gars-là comme un président si tout se passe bien si tout est normal et mu nekk un rôle crucial ci direction gestion des du gouvernement euh, <laughs> on peut dire que c'est le deuxième président donc. Il faut le président Gungé ko c'est-à-dire il a fait un bon choix pour vous mais dès que ce président décide de nommer ce même premier ministre qui est chef du gouvernement comme candidat ou bien qui Yaakaar ci élection yi donc est-ce que vous voulez nous dire nous, avons beaucoup une vision politique vision politique ou est-ce que vous voulez nous dire que nous il ne prend pas de bonnes décisions la question là rek <laughs> entre question là vous voulez nous confirmer que ñun li Noir doon wax ce président ne prend pas les bonnes décisions donc depuis tout ce temps monsieur mot Amadou Ba comme premier ministre donc vous voulez nous dire que ne le moins responsable crise yi ñuy dund responsable mal gouvernance bi ñuy dund responsable beaucoup beaucoup de choses qui font penser que ñun ñoo am dëgg ci la politique de Macky Sall donc si vous voulez nous faire savoir le contraire da ngeen waroon ànd ci décision pour jàpp ne Amadou Ba moy Macky Sall Macky Sall moy Amadou Ba Benen fait bi am le président a tabou qui dit Amadou Mame Diop comme président de l'Assemblée nationale ñu gis le président de l'Assemblée nationale lui aussi il joue un rôle essentiel dans le euh, fonctionnement démocratique bu réew euh, le fonctionnement démocratique du parlement Il ci assemblée nationale li ñu fay indi crise une ñu fay indi dossiers yi fay indi diriger toutes les sessions parlementaires en tout cas de maintenir l'ordre au niveau de l'assemblée Je ne assemblée réew avec ak Macky Sall assemblée ak Amadou dañoo contracté ñun ñëpp askan bi yëpp seeni naqar ak seeni doléance seen doole jox ko député yi mu jiite leen kon comme si rek moom moo jiite Sénégalais yëpp xam nga mu tànn sa même Amadou Mame Diop comme président de l'Assemblée nationale kooku da xam ne tey jii le si le président n'est plus là yàlla tere le président de l'Assemblée moo war jël les fonctions du président si le président démissionne c'est le président de l'Assemblée mooy jël relève bi mën lay organiser ay élections kon tànne woon na ci ay facteurs yo xamné le président avait jugé wala étudié ba xamné ki la wara a ki kii kat moo ko war a ki ko war donn kat wala ki ko war a kat bu fekké ne crise bu jar président de l'Assemblée tok amna kon ki amna facteurs yu ak critères yu président tànne woon kooku noonu jamono dox ba ngeen yeen ngeen xamal ñu ne ce même président bu que la constitution dit que son mandat s'arrête au 2

est-ce que moi je na ne ki si remplacer si jamais son mandat s'arrête et que demaguñ ci élection wala si jamais mom mu démissionner vous êtes toujours en train de nous dire que que le président n'a pas fait le bon choix de temps un président de l'Assemblée donc les may def ko sénégalais APR yi ci fexeel maay man bokk sama propre réflexion laa nek def ci li ngeen acte yi ngeen nekk di poser envers le président je pense que président pour ngeen ànd ak moom ci politique bi def il faut ngeen ànd ak moom ci choix yi muy def il faut que y ait une décision immédiate. def c'est le bon président c'est le meilleur président les décisions qu'il koy mettre en question les euh, crises qu'il peut koy régler qu'il koy mettre en question les décisions immédiates, muy jël amnesty ne day amnistie sax ça veut dire que nous, pendant tout ce temps on a été gouverné par un président qui ne prend jamais de bonnes décisions c'est et c'est juste à la fin que nous avons un doo koy xam diabolisé <laughs> Je ne sais pas baaraam foo xam ne ñu bëri dinañ réfléchir c'est l'objectif te gëm naa ne da poser ces questions a le minimum euh, peu de personnes bi ngeen dese en ce moment bi ngeen nekk des nekk ko ci en ce moment vous devez réfléchir à ça est-ce que si vous êtes en train de mettre en question ou en cause les décisions de ce président de la République est-ce qu'on n'avait pas raison sur toute la ligne hmm. naa leen bàyyi ngeen réfléchir